forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Kalangou qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, aujourd'hui vendredi 31 août 2018, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par la mésaventure des trois leaders de la société civile nigérienne à Agadez et le rejet de la demande de liberté provisoire à d'autres à euh, Zender. Sur le plan euh, de la santé, euh, le paludisme et le choléra préoccupent cette année les Nigériens, notamment dans la région de Maradi. Sur le plan académique, il est désormais interdit aux non-bacheliers de passer l'examen du brevet de technicien supérieur BTS d'État, une nouvelle réforme mise en application cette semaine. Sur le plan humanitaire, le bureau de la coordination du système des Nations Unies à actualiser le bilan des inondations au Niger. En sport, le MENA version moins de 17 ans croisera le Togo dimanche 2 septembre à Niamey dans le cadre des éliminatoires de l'UFOA Ghana 2019. Pour analyser ces sujets d'actualité, nous avons le plaisir de recevoir Hassan Boukara Diaba de la radio alternative. Hassan Boukara, euh, bonsoir. Bonsoir. Rufai Dandoua, journaliste sportif. Rufai Dandoua, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons des moments à l'autre Ousseini Issa, journaliste indépendant. Commençons par la principale actualité du pays avec euh, la mésaventure à Agadez des trois leaders de la société civile nigérienne euh, sortis de prison il y a juste un mois. D'abord bloqués toute la journée de mercredi à l'aéroport Manoudayak d'Agadez, puis placés pour euh, la nuit dans un hôtel privé là où là aussi est mouvementé, là aussi de mouvement. Moussa Changari, nous Ahmadou Arzika et Ali Dri Sanani se sont vus interdits d'animer leurs deux conférences et même de recevoir leurs amis et parents, y compris le chef d'antenne de la Commission nationale des droits humains euh, de d'Agadez, euh, Hassan Boukara. Euh, le juge d'Agadez s'est déclaré incompétent pour trancher au sujet de l'interdiction de la conférence publique. cela veut-il dire cela veut-il dire que les textes de, loi présentent euh, des souffrances Merci beaucoup. Euh, alors, euh, vous évoquez là un sujet qui fait l'actualité, un sujet qui a défrayé la chronique pendant ces 72 heures, j'allais dire 48 heures, 72 heures. oui, j'ai vu l'interdiction des activités de la société civile. les juges s'est déclaré incompétents. On aurait pu attendre une meilleure une meilleure réponse du juge sur cette euh, question. Bon, c'est une décision de justice, je ne vais pas la commenter. Euh, ce qui nécessite, à mon avis, beaucoup de commentaires, ce sont les, les faits eux-mêmes, c'est-à-dire des citoyens nigériens, membres de structures régulièrement reconnues par l'État du Niger, qui partent exercer des activités conformes à leur mission, qui se voient interdits d'accès à une ville comme Agadez alors, le plus grave, c'est d'abord ça. Alors, ça renvoie un peu à tous les commentaires que j'ai entendus qui laissent croire que dans ce pays, après l'affaire Baba Alpha, on pensait avoir atteint le sommet, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours pire dans ce pays. Et donc, chaque fois qu'on pense avoir atteint le pire, euh, la suite est à venir et la suite dément cette position-là. Donc, pour moi, ce qui est grave, puisque en amont de la décision de justice, il y avait des décisions administratives qui étaient prises pour interdire des conférences, on a du mal vraiment à comprendre qu'est-ce qui s'est passé en amont. Euh, qu'est-ce qui s'est passé qu'on interdise des simples conférences qui se sont déjà déroulées sans problème. Ils ont expliqué ah. que c'est euh, pour euh, trouble à l'ordre public. Hein. la notion de trouble à l'ordre public est une notion apparemment très élastique, chacun l'utilise comme il veut. Euh, mais je, retiens par rapport à tout ce que j'ai entendu. Et aussi l'affaire euh, nous, Arzika, euh, qui aurait, selon ce qu'ils ont avancé comme, des, étant des propos tenus en, 2008 hein, lors de la rébellion du MNJ. J'ai comme l'impression que dans la manipulation, dans la quête d'intérêt politique, les gens n'ont pas de limite. Je considère qu'il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas s'amuser, que ce soit la société civile, que ce soit des acteurs euh, politiques, que ce soit l'État, les animateurs de l'État, il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas s'amuser. Les questions identitaires ne doivent pas faire l'objet de manipulations, même pour des intérêts politiques. Je pense qu'à Agadez, quelque part, on a voulu manipuler des questions sensibles pour des intérêts politiques. Et donc, je pense que c'est d'abord ça qu'il faut déplorer. On ne devait pas arriver à cette situation, mais on est arrivé parce que euh, les dirigeants, les tenants du pouvoir ont utilisé tous les arguments parfois les uns plus fallacieux que les autres, pour dire qu'il y avait crise scolaire, qu'il y avait euh, une insuffisance des forces de défense et de sécurité pour maintenir l'ordre. On a entendu beaucoup d'arguments. Alors aujourd'hui, à la suite justement de cette volonté d'empêcher les citoyens de jouir de leurs droits fondamentaux, on, va jusqu'au fond des caniveaux pour essayer de manipuler des, questions identitaires. Selon vous, c'est effectivement c'est tout juste politique cette affaire. Je, pense que les gens ont voulu manipuler cette information. Rufai quelle lecture faites-vous de tous ces faits successifs en deux jours seulement Merci Mokhtar. Euh, je pense que le mot a été lâché par euh, Abba en parlant de manipulation. Euh, c'est justement ce qui a été fait. Je, me rappelle déjà, et avant même qu'il n'atterrisse à l'aéroport international et Mano Dayak d'Agadez, il y avait eu des, sortes de tracts, si on peut les appeler ainsi, sur les réseaux sociaux, appelant à ne pas laisser, surtout et Nouhar Zeka, qui aurait tenu des propos en 2008 euh, comme quoi euh, on devrait exterminer euh, une partie de la population en 48. J'ai j'ai lu le poste de Nouhou Arzika qui disait avoir été mal compris. Je pense que c'était ça. Mais il y avait eu des manipulations, surtout de la part des autorités administratives, notamment les, les maires qui, qui étaient des maires nommés, pas des maires élus, qui n'avaient pas, euh, si on peut le dire, les mandats de, la population euh, locale. Bref, la manipulation a eu lieu, on les a empêchés parce que le but c'était quoi C'était de les empêcher, pas seulement d'atterrir à Gadez mais de tenir la conférence. Je ne sais pas pourquoi Agadez, parce qu'ils ont été accueillis à, à, Maradi comme des héros. Ils ont bénéficié d'une publicité qu'ils n'avaient pas demandée. Et à Maradi, ils ont été accueillis comme des héros. Et le paradoxe, c'est que bien avant même de venir à Maradi, le gouverneur de Maradi a envoyé eh, une lettre à ces trois acteurs de la société civile, de, une fois sur place à Maradi, de venir visiter euh, l'hôpital de référence. Vous voyez le paradoxe qu'il y a. D'un côté, un gouverneur qui fait interdire euh, ces gens d'atterrir dans une région, de l'autre, un autre qui les accueille à bras ouverts si on peut l'appeler ainsi, alors qu'on est sur un même territoire des mêmes pays. C'est ça qu'on ne comprend pas et c'est ça qui, qui, porte euh, à, à, réfléchir. Tout à l'heure, j'ai lu euh, un communiqué de, la, commission, commission, nationale de droits de l'homme. Je pense que si vraiment cette commission et travaille pour euh, le peuple, pour la population, elle doit aller jusqu'au bout, elle doit être vraiment forte et, après se communiquer, porter plainte contre les autorités locales d'Agadez qui ont eh, empêché à ceux que ces trois leaders eh, atterrissent d'abord eh, à Agadez anime les conférences parce que quelque part ils ont été séquestrés puisque c'est contre leur avis qu'ils ont été amenés dans, dans un hôtel je pense qu'on doit porter, la CNDH doit porter plainte pour que lumière soit faite. Et s'il faut et sanctionner ces gens, il faut le faire. Vous vous rappelez lorsqu'il y avait eu la lutte, il y avait eu presque les mêmes propos après la lutte de Zender, d'une autorité locale à, à, Ottawa. C'est dire que le problème identitaire prend de plus en plus de place ici au Niger. Après les élections, on les a Il faut y mettre fin. Euh, bien sûr, puisque si, si vous vous rappelez rapidement, et à chaque fois qu'il y a vote au Niger, on voit un repli identitaire. Et moi, je me rappelle un moment, on avait dénoncé cela et on avait même intervenu sur une radio internationale pour, pour parler de cela. Je pense que c'est très grave. Le Niger, c'est la seule chose qui nous lie aujourd'hui et cette union, cette cohésion. Et si nous devons de la préserver. Euh, je rappelle à nos auditeurs que euh, j'informe nos auditeurs que Hussein vient de nous rejoindre dans ce studio. Hussein Issa, bonsoir. Bonsoir. Issa, comment voyez-vous la suite des événements Pensez-vous que d'autres situations similaires pourraient encore apparaître au Niger je considère que c'est d'abord des migrants euh, clandestins, dans leur propre pays. Parce que c'est leur propre pays, c'est leur territoire. Je ne vois pas comment on peut empêcher un citoyen nigérien, de quelque région qu'il soit, qu'il puisse se déplacer pour aller faire une activité dans une autre région. Quel que soit par ailleurs le motif, je vois pas. Je ne vois pas. Et on voit un peu l'ampleur, le degré que ça commence à prendre. Ici, localement, on interdit à Niamey, mais aujourd'hui, c'est même en région où des gens, je ne sais pas, c'est des instructions qu'ils ont reçues, les autorités locales, ou c'est juste le zèle qu'on empêche à des citoyens nigériens d'aller pouvoir animer une conférence. Ils ne sont pas allés organiser une marche, ils sont allés juste sensibiliser les populations ils ont un message à porter aux populations, mais je ne vois pas pourquoi on va les séquestrer, on va les arrêter, on va leur empêcher d'accéder à la ville. Et on va, je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai pas suivi les 24 heures là, je n'ai pas suivi le développement, comment, c'est quoi leur sort, mais ce que je suis que ça reflète une mauvaise image. En tout cas, ça reflète une mauvaise image de, la gouvernance, en tout cas de, ce pays-là. Parce que tout simplement, on ne peut pas empêcher un citoyen nigérien de pouvoir se déplacer, aller animer une conférence pacifique. C'est une conférence, c'est pas conférence publique. C'est pas une marche, c'est pas euh, appelé à l'insurrection et tout et tout. Mais quand des gens se mettent dans une situation de zèle où ils sont capables d'empêcher à des citoyens nigériens d'aller pouvoir faire une activité dans une autre région du pays, ça pose sérieusement problème et que j'ai dit, il faut mettre un arrêt à ça. ça. ne peut pas prospérer. Parce que tout simplement, si chacun se met dans sa logique, quelqu'un, n'importe qui peut s'élever d'une région à une autre pour venir animer des conférences, on ne peut pas permettre à des individus, des personnes ou des autorités, si vous voulez, qui viennent, ils empêchent à d'autres citoyens de pouvoir se déplacer pour aller animer. Je ne vois pas je ne vois pas l'intérêt, je vois pas l'image qu'ils veulent refléter du Niger à l'extérieur. Parce que c'est ça l'image du pays aussi, il faut voir ça. Il ne faut pas simplement se contenter de voir que non, on a interdit parce que tout simplement ils sont... Non, les gens ont besoin d'être édifiés. Les gens ont besoin d'être édifiés. Les gens ont été édifiés avant même que euh, la scolarisation de masse n'arrive dans ce pays. Quand il y avait le RDA, le PPN, euh, comment ça, <laughs> chacun animé, les gens étaient éveillés. Politiquement, la conscience était une conscience citoyenne. Mais on empêche aujourd'hui ça. C'est grave, c'est extrêmement grave, selon vous. Euh, rapidement, le, rapidement. Le, problème, c'est la jeunesse d'Agadez qui a été manipulée à son maximum. Bien avant qu'il n'atterrisse, il y avait, comme je le disais, des, des, petits, des petits textes sur les réseaux sociaux pour dire que non, et si nous vient à Agadez, on va lui faire ci, on va lui faire ça. Vous voyez, on les a tellement embobinés que eux, ils avaient cru en cela. Et une fois et que l'avion a atterri, les autorités ont pris cela comme prétexte pour dire que non, c'est pour assurer sa sécurité. C'est un fallacieux prétexte qui a été eh, eh, pris pour les empêcher d'atterrir et surtout les empêcher de faire cette euh, conférence publique. Par ailleurs, les deux acteurs de la société civile de Zander détenus depuis quatre mois pour leur combat contre la loi de finances 2018 n'ont pas obtenu la liberté provisoire introduite par leur conseil. D'autres acteurs de la société civile tels que Michael Zodi et Ibrahim Djouri garde encore prison. Euh, comment, à euh, Abba, euh, Abba, Hassan Boukara, comment voyez-vous leur sort Rapidement. <coughs> Je, pense que là, c'est sur le terrain judiciaire. Donc, on souhaite que, de la même façon que les autres acteurs de la société civile qui étaient engagés dans ce combat et qui étaient détenus, ont pu obtenir euh, euh, la liberté qui leur permet aujourd'hui de continuer leur combat, que les autres aussi puissent euh, bénéficier. Je pense que la procédure doit être accélérée. Il y a des moments où on a l'impression que c'est assez lent, la procédure. je rappelle que Jory et Michael ont passé deux fêtes religieuses en prison, la fête de de, de, ah, la fête de Tabaski, l'ont passé. C'est quand même grave dans ce pays parce que, euh, au-delà de la politique, ce qui est beaucoup plus fort dans ce pays, c'est quand même l'islam, c'est la religion. Dans ce pays, parfois dans des dossiers où c'est totalement euh, vide. En tout cas, quand on écoute un peu les avocats, c'est un peu ce qu'on entend. Et donc, à mon avis, dans ce contexte-là, on aurait pu accélérer les procédures pour que justice leur soit rendue. Mais au-delà de ça, je pense que la chose la plus importante, c'est d'accepter dans ce pays que chacun a un rôle la société civile a un rôle que la loi lui reconnaît. Alors, le fait de dire chacun peut jouer son rôle, mais à quelqu'un, un acteur qui veut jouer son rôle et empêcher aux autres de jouer leur rôle, il n'y a jamais une démocratie de cette façon. Ou on veut la démocratie, ou on veut autre chose. Euh, Issa, comment vous, vous analysez euh, cette situation euh, Comment voyez-vous leur sort mais Moi, je trouve que c'est une situation incongrue, comme vient de le dire Abba. Parce que moi, pour moi, dans un contexte démocratique, les rôles sont partagés. Et il faut aussi accepter, comment vais-je dire, euh, la différence. Il faut tolérer. Tant que dans une démocratie, on considère que l'autre, parce qu'il n'est pas d'accord avec mes points de vue, ça veut dire qu'il est mon ennemi. Moi, je dis, on n'est plus en démocratie. On voit bien un peu ce qui se passe dans les pays occidentaux, y compris aux États-Unis où tous les matins, Trump fait face à des critiques acerbes, à des attaques et tout. Mais il tolère. Bon, bon, c'est pas qu'il tolère, mais il ne peut pas manipuler. Et le problème qui se pose fondamentalement dans notre pays, c'est que dans les textes, les pouvoirs sont indépendants. On parle du pouvoir, l'exécutif, le judiciaire, le législatif. Mais malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas ça. Malheureusement. Ça dit que l'exécutif contrôle à la limite tout. C'est l'exécutif qui décide de où vous êtes avec moi. Et, on est, ça s'est exacerbé sous cette septième République. Parce qu'auparavant, il y avait un minimum. En tout cas, pour un oui ou un non, on ne prenait pas les gens pour les jeter en prison ou pour les, ou pour les séquestrer. On laissait les gens au moins manifester. Il y avait un minimum de liberté. Mais aujourd'hui, même ce minimum de liberté-là, parce que j'ai l'impression qu'on veut remettre ça en cause. On ne peut pas admettre que des gens puissent euh, c'est bien inscrit dans la Constitution, qui dit que les citoyens sont, en tout cas, ont le droit ou, la possibilité de le droit la liberté d'opinion, la, liberté, de, manifester. de, manifestation, ils ont toutes ces libertés et que que ce soit organisé dans un cadre pacifique et dans un cadre d'encadrement. Et les gens respectent, les gens ont toujours respecté ça. Mais quand on se met dans la logique où on se dit, parce qu'un citoyen, mais de quel droit, de, quel droit dispose-t-il pour contester les politiques publiques qui sont mises en œuvre Si on les empêche de manifester dans la rue pacifiquement pour dire je ne suis pas d'accord avec telle décision, je ne suis pas d'accord avec telle mesure, il va faire quoi on lui demande de faire quoi Rufai Dandoua, rapidement, c'est par rapport au sort euh, euh, des, acteurs de la société civile qui gardent encore en euh, prison. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on libère, qu'on libère les, trois principaux acteurs qui, qui, sont les, leaders de, cette lutte contre la loi des finances 2018 et qu'on laisse d'autres qui, c'est vrai, chacun apporte euh, sa pierre à l'édifice, mais c'est ça que je ne comprends pas. Si, par exemple, euh, nous, Ali et Moussa sont toujours en prison, on peut se dire oui, c'est tout, le monde, tout le monde qui est là-bas, c'est pour casser le mouvement, comme cela a été au début, on en a parlé longtemps ici. Mais eux, pourquoi C'est ça que je ne comprends pas. C'est vrai, c'est une affaire et eh, qui est devant les juridictions. On ne peut pas eh, aller eh, parler en profondeur. Mais je pense que, comme l'a dit Abba, quelque part, il y a un, minimum qui nous unit. C'est la religion musulmane. Laisser des parents des, des, gens, des maris, des, des, des, de nos sœurs passer deux fêtes religieuses en prison. Je pense qu'il faut un minimum de tolérance qui va nous permettre de sauver ce qui peut l'être. forte prévalence du paludisme avec euh, des décès constatés dans toutes les huit régions du Niger. Le cas le plus surprenant est celui de la région d'Agadez à cause d'une pluviométrie exceptionnelle enregistrée cette année et selon les spécialistes du domaine. Le Niger fait également face à une nouvelle épidémie de choléra dans la région de Maradi. Au 26 août, 2000, euh, au 26 août 2013, euh, cas ont été enregistrés pour 30 37, pour décès. La coordination de, la riposte est assurée par la direction régionale de la santé publique de Maradi avec l'appui des partenaires humanitaires OMS, UNICEF, MSF, euh, coopération italienne Alima Befen. Euh, le 28 août, l'Union européenne a annoncé un financement humanitaire de près de 100 millions de francs CFA euh, pour venir en aide aux populations les plus touché par l'épidémie de choléra au Niger. Rufai euh, Dandoua, euh, quel commentaire euh, sur ces chiffres Hum, je, euh, je, constate que le, les chiffres augmentent de plus en plus. La dernière fois, on était ici, on a parlé d'un chiffre qui n'atteint pas celui que vous venez de, citer. C'était 13 morts, euh, hum, c'est 37 d'ici. Voilà, c'est. Et pourtant. À la date du 26 août. Et pourtant, à l'époque, on, nous avait fait comprendre que tout a été mis en place pour euh, éradiquer cette épidémie, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on ne sait pas aujourd'hui c'est du côté de la population que ça ne marche pas, que les instructions ne sont pas suivies, ou bien ce sont les mesures qui n'ont pas été correctement prises par les autorités sanitaires. Et là est, tout le problème. Mais dans tous les cas, je pense que euh, cette maladie, c'est une maladie due le plus souvent à, euh. un manque d'hygiène c'est dire que quelque part, il y a la population qui a failli. Mais bref, quel qu'en soit le cas, si déjà l'épidémie a commencé, je pense qu'il faut mettre les moyens eh, adéquats pour euh, l'éradiquer afin qu'elle ne fasse pas beaucoup plus de dégâts. Hassan Boukar, chaque année, ce sont plusieurs milliers de victimes euh, qui sont enregistrées au Niger à cause euh, du paludisme. Comment expliquer la persistance de la maladie Bon, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de récurrent. Euh, la période des saisons de pluie et justement la période où on constate un pic de cette maladie, du fait justement de ces précipitations qui créent un environnement favorable euh, au développement des, moustiques et l'agent causal, et aussi du fait que ces maladies, euh, ça fait beaucoup de dégâts dans nos pays. Je pense que les autorités et les pouvoirs publics doivent fournir encore beaucoup d'efforts dans la prise en charge. Euh, quand il s'agit du sida, par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de mobilisation à l'échelle internationale. Alors que le paludisme type euh, plus que le sida Le paludisme, c'est la maladie des pauvres. C'est vraiment la maladie des pauvres. Je pense des, des Africains, au niveau dans nos pays, on doit être capable de, de faire beaucoup de mobilisation. Ça demande beaucoup de communication à l'endroit du pays. Euh, à l'endroit de la population. Bon, il y a des années où c'est les moustiquaires que les gens distribuent, etc. Mais je pense que rien ne remplace une bonne information à l'endroit de la population. C'est-à-dire, si les gens sont bien informés, euh, les types d'attitudes qu'ils doivent avoir pour améliorer l'environnement dans lequel ils vivent. Ça permet déjà de prévenir la maladie. La prise en charge coûte très cher. Il y a quelques années, je crois que le ministère de la Santé avait commencé à, à développer des chiffres. Hein. J'ai dû, sauf si je me trompe, j'ai dû entendre que ça coûte euh, plus de 3 ou 4 milliards en termes de prise en charge, c'est beaucoup euh, dans un pays comme le nôtre. Alors que le paludisme, c'est vrai que pendant la saison de pluie, c'est extrêmement difficile puisque l'environnement est favorable au développement de la maladie. Mais on peut toujours travailler, pas seulement pendant la saison de pluie. Alors, euh, je le disais une fois euh, dans ce studio, le problème chez nous, dès que le mal s'arrête, on oublie, sachant bien que ça peut revenir. Alors quand ça s'arrête, il ne faut pas s'arrêter, sachant bien, créons les conditions, continuons à communiquer pour que ça ne continue pas à venir. Sur le, sur le choléra, rapidement. Euh, euh, oui, euh, comme, comme, Dandoua l'a dit, à un moment, on la communication officielle visait à dire des mesures sont prises. Que la, maladie est sous contrôle. Que c'était sous contrôle. puis on continue à dire qu'il y a des gens qui venaient des pays voisins, etc. Mais l'un dans l'autre, ça montre encore qu'on euh, n'est pas vraiment arrivé à maîtriser. La vérité, c'est ça. C'est pas la peine de, dire que les choses se sont arrêtées alors que les gens continuent à mourir. À mon avis, il faut parler un langage de vérité, non seulement au niveau de la communauté nationale, mais aussi à la communauté internationale, pour que ceux qui peuvent encore aider puissent, euh, puissent le faire. Quoi. Communiquons vraiment sur la vérité. À présent, parlons de la chute euh, de moitié du nombre de candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS d'État euh, de la session 2018 au Niger. Euh, tout candidat sans le baccalauréat en poche est interdit de BTS. C'est cette nouvelle réforme introduite par le ministère des Enseignements supérieurs qui explique une baisse de moitié de candidatures comparativement à l'année dernière. À l'année dernière, rapidement. Euh, comment euh, euh, pensez-vous que cette nouvelle réforme va relever les nouveaux dans le secteur de l'enseignement professionnel vous savez, mais je voudrais d'abord m'exprimer sur la faible choléra. <laughs> et les maladies. Bien sûr, on, ne limitait non, pas mais Rapidement, mais rapidement. Il aurait fallu me donner au moins Ok, rapidement. Temps pour que je dise ce que je pense par rapport à cette situation. Rapidement. Mais tu Oui, je vais dire on sait bien comment les gens vivent. Euh, Abba vient de le dire. C'est que le problème, le déficit de communication, c'est ça qui fait que <laughs> l'environnement est insalubre. Et pendant, il y a une période, c'est l'hivernage. Pendant la période d'hivernage, ce qui est sûr, c'est que toutes ces maladies-là vont repartir. Mais dès qu'on arrive à circonscrire et que l'hivernage euh, prend fin, on considère qu'on peut continuer maintenant, pour ce qui est de, comme avait dit, les des réformes BTS d'État, tout ça, moi j'ai dit quelque part, c'est tout le système éducatif qu'il faut revoir. C'est quoi BTS d'État, c'est juste un diplôme. Mais c'est tout le système de bas, du bas, depuis l'école primaire jusqu'en haut qu'il faut revoir. C'est tout ce système-là. Aujourd'hui, on n'a pas un système éducatif fiable. Le BTS d'État, c'est juste, on dit, on a fait des réformes. Réformes pour obtenir quoi Quel est le résultat pour obtenir le BTS, mais avec quel niveau C'est ça le problème, l'enjeu, c'est ça. Le tout n'est pas de former des gens, mais en, encore faudrait-il former des gens capables d'assumer des responsabilités, de pouvoir faire le travail qu'on va leur confier quand ils seront dans, la vie active, qu'ils soient en mesure de pouvoir. Mais former pour former ou délivrer des diplômes BTS d'État, on a fait beaucoup de réformes. Et depuis qu'on a commencé à faire les réformes, on a mis des nouveaux manuels, des, des, des, ça a changé quoi La baisse de niveau on a fait des évaluations, mais tout ça là, tout ça sur le système éducatif, comment on recrute les enseignants dans ce pays Comment on recrute même aujourd'hui LMD, euh, licence master doctorat là Mais allez-y évaluer au niveau de l'université. Il y a combien d'enseignants qui ont le profil pour pouvoir enseigner dans, ce domaine-là C'est ça la difficulté. il faut se regarder en face pour se le dire. Quand on veut améliorer le système éducatif d'un pays, on crée les conditions pour que ceux qui doivent dispenser l'enseignement, qu'ils soient en mesure de le faire correctement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais avant, c'était des UV, des unités de valeur. Mais c'est les mêmes enseignants, on dit, bon, c'est LMD. Mais LMD, l'enseignement, on dit, c'est des crédits et tout. Mais on n'a pas recyclé. Il y a combien d'enseignants qui ont été recyclés pour pouvoir donner le BTS, qu'on parle de BTS, c'est bon, tout ça, euh, d'État. OK. <laughs> le privé aussi, c'est le privé d'État. Dandoua... Le bac, c'est le bac d'État. Rufai Dandoua, votre avis sur cette nouvelle euh, réforme euh, Vous savez, ce n'est pas le fait d'avoir le bac ou de ne pas l'avoir qui, qui, fait qu'on est ou pas le niveau. Surtout pour avoir le BTS. On a vu des, des gens qui sont pas crack, mais premiers dans leur classe, mais qui, qui échouent au baccalauréat. Le problème, c'est quoi C'est que les gens, dès qu'ils font le bac, même s'ils n'admettent pas, ils partent directement pour s'inscrire dans un institut et deux ans après, ils font le bac. On dit sous réserve de. Sous réserve du bac. Au, fait, c'est ça qui a été eh, empêché maintenant. Mais est-ce que cela eh, va rehausser le niveau des étudiants ou des, des, candidats. Je ne pense pas. Moi, je pense que le problème est vraiment. Le, mal est profond. Hein. Ce n'est pas seulement les, les élèves. On, dit que non, c'est aujourd'hui que le niveau a baissé. Non, je, je ne le crois pas. Et puisque Hussein a parlé des, des enseignants à l'université, je n'apprends rien à, à, à, mes aînés qui sont ici. Quand tu pars à l'université aujourd'hui, et tu vas en première année, tu vas avoir un cours qui date de 20 ans. Le même enseignant te le donne sans enlever une virgule ou un point qu'est-ce que les gens font quand, quand, tu pars On te dit, bon, dans tous les cas, ne te euh, casse pas, ne, cherche pas euh, loin, prends le polycope, tu photocopies et tu as le cours qui est là. Lorsque les enseignants qu'on pense être l'élite du pays eux-mêmes ils ne sont pas suffisamment formés. Ce n'est pas, qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Ils sont formés, mais le savoir évolue. C'est ça que les gens doivent comprendre. Le, savoir de 1950 ou de 1960 n'est pas celui de 2010. Le monde évolue à une vitesse grand V. Et malheureusement, au Niger, on n'évolue pas. Ce n'est pas seulement en disant non, on, fait une réforme à l'école primaire ou, à au, collège ou au BTS que ça va, euh, que ça va rehausser le niveau. Non, le niveau d'abord doit euh, euh, être rehausser, si on peut le dire, ou changer, ou évoluer déjà eh, chez nos élites. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez dans, dans, tous les pays du monde, pas, pas, pas, même en, en, Europe ou aux États-Unis, même dans certains pays à côté, vous voyez l'université, c'est de là-bas que toutes les grandes décisions sortent dans un pays, mais pas au Niger. Aujourd'hui, quand vous prenez les enseignants-chercheurs au Niger, ils sont tous soit eh, conseillers des ministres. Et quand vous partez à l'université, eh, pour un cours de 3 heures ou 4 heures de temps, l'enseignant n'est pas là. Où il vient 2 heures après l'heure, où il, il s'en va 2 heures après l'heure, parce qu'il doit aller soit dans un institut ou dans une université privée, ou bien il doit aller dans, ses affaires, dans un cabinet où, il est le conseiller d'un ministre ou d'un président ou d'un président de l'Assemblée. Vous voyez comment on peut évoluer. Je pense qu'il ne faut pas doiter toujours les élèves ou les étudiants pour dire qu'ils n'ont pas le niveau, mais non, le niveau et il est perdu depuis le, en haut de en haut, comment pensez-vous que les moyens vont suivre car des équipements techniques sont essentiels euh, dans euh, les écoles qui forment les BTS Bon, je pense que la question de l'éducation, c'est comme il l'a dit, c'est une question globale euh, où on a le courage de faire de vraies réformes, mais pas par décret. C'est-à-dire que quand vous parlez d'éducation, vous parlez d'une question nationale il y, a, les enseignants, il y a les élèves, mais aussi à la communauté nationale. Donc quand vous parlez de l'école, vous parlez de quelque chose d'éminemment important dans un pays. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est euh, un matin on se réveille, puis on fait une réformette, qui, euh, deux ans, trois ans après, on l'abandonne pour passer à une autre. En fait, on ne sait pas où on veut aller sur l'éducation. Euh, peut-être que c'est dû au fait que le mal est très profond, comme euh, l'a dit. Il faut se rendre compte qu'on est pratiquement en train de perdre l'école dans ce pays. On investit des ressources, Personne n'est content du résultat, ni les élèves, ni ceux qui enseignent, ni la communauté, mais on continue à le faire. On a souvent entendu les enseignants qui ont crié tantôt pour chercher leur salaire, tantôt pour dire des affectations, tantôt... Ils sont presque fatigués, j'ai l'impression que je les entends de moins en moins, les enseignants. Ceux qui sont totalement absents, c'est la communauté nationale. Ce sont les parents d'élèves, tous ces gens-là qui doivent se soucier de l'avenir de leurs enfants, mais qui doivent se rendre compte aussi que pour aller de l'avant, ce pays a besoin d'une école qui est vraiment sur les rails. Et donc, en l'absence de ça, euh, aujourd'hui c'est le bac, demain on dira il faut avoir le duel pour je ne sais pas, mais c'est des réformes, je veux dire, où on veut réfléchir un système dans son ensemble, en ce moment tout se tient, où on prend un morceau, puis on se rend compte que le bas ou le haut ne tient pas. Et donc, euh, le bac, je ne sait pas franchement à quoi ça ressemble dans ce pays. Hein, on y a une sorte complicité entre les parents d'élèves, comme l'a dit Abba, les parents d'élèves qui sont absents. Il y a une sorte de complicité entre eux parce que c'est un bureau dit de parents d'élèves. On ne sait pas quels parents d'élèves euh, d'abord eux, ils, ils, n'ont pas leurs enfants aussi dans les, les écoles publiques. Donc, euh, de la même manière <clears throat> que les enfants de, nos dirigeants n'ont pas leurs enfants dans le, dans le public, eux aussi, avec, parce qu'ils sont complices, ils n'ont pas leurs enfants ici. Donc, ils s'en fichent. Quand ils sortent, et on, te fait quelque chose, tu, tu t'es, et c'est fini, et ça continue. 36 personnes mortes au Niger dans des inondations depuis le début de la saison des pluies, selon le bilan euh, communiqué mardi par l'ONU. À la date du 27 août, le bilan est de 130 468 euh, personnes sinistrées, soit 18 140 ménages dans le pays, a précisé le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad à Niamey dans son bulletin. Les eaux ont également détruit 7212 euh, habitations et 8162 hectares de culture. 31 euh, 118 têtes de bétail ont été euh, décimées, indique OCHA. Agadez, affiche le plus lourd bilan avec 60 555 sinistrés, puis Maradi avec 34 877 sinistrés, Zender avec 13 601 sinistrés et DIFA 10 000 sinistrés d'après le bilan onusien. San Boukara, le bilan des inondations ne fait que s'alourdir du jour au lendemain au Niger. Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement voilà une grande question. <laughs> Qu'est-ce qui ne marche pas Je ne sais pas très bien, mais le, constat, c'est ce bilan macabre que, vous venez de faire, qui montre que Finalement, dans ce pays, on paie un lourd tribut. 36 c'est déjà beaucoup. Oui, c'est beaucoup à ces inondations. Et ce n'est pas encore fini La campagne, nous sommes, en fin août, donc euh, on ne sait pas. Parfois, la campagne va jusqu'en octobre, donc on ne sait pas encore qu'est-ce qui peut arriver. Mais c'est vrai aussi que ce n'était pas quand même une surprise, puisque c'était annoncé quand même, ces inondations, les victimes que ça pouvait faire et tout ça, c'était annoncé. Par contre, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est comment on s'est préparé à l'attendre. Alors, on voit aujourd'hui un ministère de l'action humanitaire. De l'action humanitaire. Euh, il y a quand même un plan de riposte. Oui, ces choses-là, ce ministère, euh, bon, aujourd'hui, il essaie un peu de prendre le devant quand on, quand on parcourt les moyens que l'État lui donne pour agir. Bon, c'est totalement vide, quoi. Il y a énormément de choses. Je vois que ces attributions sont faites par d'autres institutions. C'est parfois la primature qui gère réellement ces questions-là. Donc le ministère est là, on aurait pu le supprimer aujourd'hui, ça ne changerait rien, puisque c'est d'autres qui jouent véritablement ce rôle. Il faut se rendre compte, je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler une fois ici, si réellement aujourd'hui ce qu'on constate est lié quelque part au changement climatique, ça veut dire que ça peut être récurrent aujourd'hui ça va arriver les années, les, les, prochaines années. Il faut véritablement avoir des institutions préparées depuis 2012, chaque année, c'est des inondations. Il faut avoir des institutions préparées à faire face à ça. Regardez ce qu'on fait d'habitude, quelque chose qui paraît comme une pratique banale. Quand des maisons s'effondrent, on prend les familles, on les amène dans une école. Bon, l'école commence avant que la saison ne finisse. Et donc, on les prend pour les amener on les trimballe, etc., etc., Et donc, ça veut dire finalement que, euh, euh, du point de vue de la prise en charge des victimes, on n'a pas suffisamment réfléchi. Les moyens qu'il faut pour faire face, on n'a pas suffisamment réfléchi. Et donc, lorsque vous êtes en face de quelque chose qui est récurrent, il faut vraiment se préparer parce que vous ne pouvez pas vous dédouaner en disant c'est naturel, c'est arrivé sans. Non. C'est prévu, c'est hein. prévisible. On sait que ça arrive. On parle même d'alerte précoce sur ces questions-là. Et donc, à mon avis, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui des pouvoirs publics pour dire que ça arrive euh, comme au temps d'antan. Quoi. À un moment, on s'est réveille et puis on dit c'est le bon Dieu. On sait que ces choses-là, on peut les prévoir. Donc, à mon avis, il faut véritablement arriver à des institutions qui développent une expertise sur la prise en charge de ces, de ces personnes-là quand ça arrive. Et donc, il faut aussi leur donner les moyens qui vont avec. Sinon, ce bilan est vraiment très, très lourd pour moi. Au Sénissa, tout à l'heure, euh, parliez on de la prise en charge. Est-ce que les sinistrés sont-ils correctement pris en charge euh, ou ont-ils leur propre responsabilité dans ce qui leur arrive car ils sont sensibilisés en amont mais Moi, je me dis quelque part, les gens mangent grâce à cette situation. Les gens mangent, en tout cas, ils font, comment dire, ils arrondissent leur fin de mois grâce à ces actes de situation-là. Tout le monde sait que quand la saison de pluie arrive, on connaît les habitations précaires dans lesquelles vivent les gens. Il y a le phénomène de changement climatique. On nous raconte qu'il y a plein de ripostes, qu'on a mis en place un dispositif pour pouvoir parier à toute éventualité. Mais malheureusement, quand ça arrive, le dispositif se résume à quoi Abba ah ben, vient de le dire. C'est dans les écoles. C'est dans les Samarias où on amène les familles dans la promiscuité. Ils sont là, quand l'école euh, Parfois, il n'y a pas euh, d'infrastructure sanitaire Il n'y a pas euh, d'infrastructures sanitaire il n'y a pas de sanitaires, il n'y a pas de toilettes, il n'y a rien. Maintenant, la, communauté internationale va mobiliser des ressources, des gens vont aider. L'argent, on ne sait pas si ça arrive à destination ou pas. Mais moi, je vais dire une chose. Quand on sait que, voilà, on est dans un contexte tel que, quand la saison de pluie s'installe avec, comme on comme avait dit, les effets du changement climatique, il peut y avoir de grosses précipitations. On sait que c'est des matériaux précaires. Même la politique de l'habitat doit être repensée. C'est quoi penser la politique de l'habitat C'est pas tout le monde. Aujourd'hui, les matériaux de construction coûtent cher. L'État peut créer les conditions pour que ces matériaux-là soient accessibles quand quelqu'un va construire. Et de l'autre côté, à son niveau, personnellement, l'État doit pouvoir créer. C'est quoi qui fait les inondations C'est parce qu'il n'y a pas de collecteur, il n'y a pas de caniveau pour drainer les eaux de ruissellement. Les autres On vend les parcelles n'importe comment, n'importe où, sans, sans être viabilisées. Planification, absolument rien du tout. Et quand ça arrive, l'eau, son passage est là. Forcément, s'il n'y a pas de passage, elle va, va, elle va se frayer un passage. Et voilà la situation telle qu'elle se présente. Il faut créer les conditions. Dans d'autres pays, ça a été créé où on crée les conditions pour que les citoyens modestes même, s'il y a un peu de moyens, ils peuvent pouvoir construire. Parce que les matériaux de construction, en tout cas en matériaux définitifs, ici c'est des maisons en banco. La région d'Agadez, par exemple, c'est une région où les habitats, l'essentiel de des, habitats, c'est en banco. Et c'est une région qui ne connaît pas de fortes de, précipitation. C'est du machin, comment vais-je dire, euh, comment on appelle C'est du natron à la limite. Voilà. Mais quand ça arrive, quand des de précipitations, 15 mm, 20 mm, mais naturellement, les maisons vont s'effondrer. il ne faut pas être surpris et il ne faut pas venir se mettre à dire mais le dispositif qu'on a mis en place, ça a servi à quoi euh, Disport à présent avec le euh, l'Umina version moins de 17 ans <laughs> qui croisera le Togo dimanche 2 septembre euh, prochain à Niamey dans le cadre des éliminatoires de l'UFOA Ghana 2019. Une seule question à, vous, à toi, le journaliste sportif Rufai Dandoua. quelles sont les chances des cadets nigériens à ces éliminatoires nos chances sont toujours les mêmes. les mêmes comment Les mêmes euh, partir euh, dans l'incertitude, comme d'habitude. Et après, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça, c'est ça l'incertitude du, football nigérien ou du sport nigérien dans son ensemble. On va aller, on va rencontrer le, Ghana et le Togo, je crois. On a la chance d'avoir une poule de 3. Et on ne sait pas. c'est, les cadets qui, qui, qui avaient représenté le Niger à un moment à la Coupe du Monde. Euh, vous voyez, ils étaient dispersés un moment. Maintenant, peut-être qu'on les a, rapatriés d'art d'art pour venir jouer. Vraiment, c'est le Niger est le même hein, dans toutes les activités, dans toutes les disciplines sportives, et culturelles, sociales, économiques. On ne prévient rien. On fait les choses telles qu'elles telle qu'elles viennent. C'est comme cette histoire de, de, de, Tout le monde sait qu'il eh, il va y avoir de la pluie et les services météorologiques ont dit qu'il y aura beaucoup de précipitations avec le dérèglement climatique. On sait ce Mais personne ne, fait quelque chose. Et la population et les autorités. C'est la même chose le football. On va aller, si on gagne, deux fois les responsables footballistes eh, footballistiques vont dire que c'est eux, c'est les marabouts. Si on perd, on dit on n'a pas eu de la chance ou bien l'arbitre a été contre nous. C'est toujours ça. Selon vous, qu'est-ce qui ne marche pas C'est les gens n'investissent pas dans le foot. On, investit, on investit, mais les gens détournent. Ça ne peut pas marcher comme ça. ça le football au Niger ne nourrit qu'une petite eh, eh, portion les, responsables du de, football et c'est fini. Les joueurs ne voient rien, puisque vous allez entendre quand on va finir, ils vont dire qu'ils n'ont rien perçu et ça va être, c'est un éternel recommencement. Ce sont des, questions récurrentes qu'on pose chaque année au Niger et pour lesquelles jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Et on ne peut pas avoir les réponses, on les connaît les réponses, mais on ne peut pas les avoir parce qu'on ne les applique pas. Euh, euh, Ousenissa, vous avez quelque chose à ajouter oh, Ce que je veux dire, je ne vais pas aller plus loin que lui. Je veux dire, c'est à la limite la même chose quoi, dans tous les secteurs, pratiquement. quoi. On fait de l'approximation à peu près. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de planification, il n'y a pas de prévision, il n'y a pas d'objectif qu'on se fixe. Malheureusement, dans un pays, dans tout domaine, quand vous ne vous fixez pas des objectifs, à l'époque, il y avait des pleins quinquennaux, où on sait à telle date on évalue, on voit est-ce qu'on a réussi, ah. qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a Dans marché. le domaine du football, Même dans le domaine du football, non. C'est par on gagne et puis tout le monde est content. <laughs> Mokhtar, regarde, juste une, juste, juste une phrase. <laughs> En, 1994, la France a été éliminée, si vous vous rappelez, à la Coupe du Monde 94, 17 euh, euh, novembre 93. La, les gens ont dit attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. On s'est arrêté, on a dit il faut poser le problème et lui trouver des solutions. Aujourd'hui, 20 ans après, la France a gagné deux Coupes du voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Hassan Boukara de la radio alternative, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Rufai Dandoua, journaliste sportif. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 pour euh, le forum en Hausa et en Zarma. Merci, au revoir.